Sénéguinja, numéro 1 de l'immobilier au Sénégal. Nova Gold Skin by Siva. Par chef. la nouvelle mayonnaise saine, onctueuse et délicieuse comme la mayonnaise faite maison. Savon pâte, savon poudre, savon dur, la main, l'hygiène et la propreté au quotidien. Orange Money est un service de Orange Finance Mobile Sénégal. Orange. Savoure ton lait et sois fort. Avec D1 Décor, votre personnalité devient un style. Sobel Kitchens. Touba City Luminaire. Novotel. Hôtel Amaralis. Thierry Regus, Alia Barré, Zadeda, James Fadel Kader et Yapi, habillé par Smalto et Bachou, Papa Gastro, Sisters of Africa, Espace Poté. L'RL.net, ay qui ci tangue vie. bi leeral.net ay xibaar yu journaliste yu Non, non, non, non, non. Absolument pas. Absolument pas Madigan, ma décision est déjà prise. Et j'annoncerai la nouvelle au conseil d'administration. Alioune Badar Gaye Golden ñoo ko bokk maa ko ya ko et puis. tu baisses d'un ton. You are ahead. Where is the formula? And the money. You want to call? You know how to read? 30 ans ñoo ngi xeex contre ñi ci biti français yi jéem nañu jël golden dara anglais yi essayé dara aljun xanaa danga fàtte ne golden c'est la seule entreprise d'exploitation d'or boo xam ne nit ñu ñuul yee ko moom ñun sénégalais yi ma golden mu ngi suux u foog ñu jox ko ko xam ne santul gay pour qu'on fait nous faut le passé. Mais 35 morts. 35 minutes nous gagnent. Et ça, sous ma responsabilité. Mais moi, tout le monde depuis l'accident. Ça n'y a comme n'est là où d'afin tach nous nous Et puis, y a rien à faire fait un accident, bobo, si nous non y est causé on. Alion, manque fuir sa responsabilité wante mënuloo dilapide héritage sa dom ban dom ñaata gisuma ko ba ko soxla golden kau mufumene. fu mu ne musuma jox cëru bay. et puis je vais laisser la direction de golden à bal. lan yàlla tere tere ci ko mangi maa ngi sama bakkanu domi. Ha, ah, mangi koy waat tant xam nga ma man man ma jigéen kay mu neex la mu naxari la ni ma ko bëggee noonu lay amee done, boss. Everything is going as planned. I'll let you know. Wow. They will be so upset. Ils n'auront qu'une partie de la formule. Rivière. Astrev. 30 000. 30 000. L'imprévu n'est pas l'impossible. C'est une carte qui est toujours dans le jeu. Tapis. Tapis à 500 000. Tu bluffes sur la couleur. Ah bon Je te paye avec Perdas. Arrête le poker, Kader. T'es trop prévisible. Bonjour monsieur. Contrôle douane, vos papiers s'il vous plaît. Bonjour messieurs. Oui, bonjour. Contrôle douane. On rôle ce papier. est transporter. On ce mais yow lan ngay transporter. lii du essence du gaz du pétrole du gasoil. effectivement li may transporter moy ben pesticide bo xamné état du Sénégal da koy sur le territoire sénégalais mais gouvernement bi da ci nopi parce que des multinationales ay entreprises yu reuy dañuy fay ay milliards pour mu tëj bëtam tëj gémmiñam mais yow dañu jappé ay kamlat wala. est-ce que nous avons la kuy ou wala kuy rey xam ni ngeen xoolee passeport bi bu ngeen ma xamul bu baax tamit dégg ngeen sama tour ci média yi je sais aussi que vous êtes ambitieux jeune bëgg seen carrière mais aussi dofu leen ba yaakaar ne seeni patron kër yu yànj yu rëy yi ñu dëkkee ak oto yu rafet yi ñuy dawal seeni salaire de misère yi ngeen di amee ci booru frontière yi moo leen koy may non ay pots de vin ñoo leen koy may

Vous bu un xëccoo pour quatre personnes On ngeen de ce soir fan yépp maa ngi lay woo mënuma fexe ba jot la dama bëgg lépp li nga doon def na ko bàyyi te ñibbi si Sénégal lu si gën a gaawee soo ko defulee sa papa dina joxe golden te teg ko ci loxo baal Babe, who was it on the phone? James? Sorry. What? Everything okay? Yeah. I have to go back home. What do you mean, like, go back home? Bonjour. Bonjour. J'ai décidé de reprendre le travail. Dans ma zone, c'est eh bi. ça c'est très bien. mais en fait le bëgg Les def. Lima Mais mais j'ai passé des coups de fil. j'ai envie d'essayer voir mais toi aussi personne ne refuse un petit piston hein. Laisse-moi essayer, après je te dirai. De toute façon, je te souhaite une bonne chance. Et puis, nous allons la fàtte ñaanal hein. merci. Je sais que tu xam nga sax exactement. Je hmm, ngi doon wax sama papa que Si Golden a.. Une place le service juridique je veux bien déposer ma candidature. Hmm. kon de bii tu as.. gaaw beau-père bi Faut bëgg saboter entreprise bi. mais ma jigéen il faut savoir arrêter un moment ay wax ramenez xam du jeex mukk dëkk ñaan nga musal ci bekkoor defal nu ngëneel ci suuf ba ci kaw asamaan te jegal nu suni bàkkaar ma gën ndaw ba ci man defal nu jam bul fàtte wa akhlu Sénégal sunu la togné way way na nga nu dénk naa la yaay jégal ma sama baay teg ma ci yoon ngir without you our life is nothing protect me let me do my thing lord protect my family lord save my family protect my family Save my family. Hallelujah. Woo! Lá vamos procurar quando é for the single. I ah, like it? Right. Boom! Look at this one. boy Fils ta voix est sublime boy. son bi it laa bëgg mu doon. nekk loo xam ne senegal yëpp a koy déglu. non non na nekk loo ci gis yow. nice jamais. te dina tax sama ya mais ma nekk si jàmm tuuti quoi. waaw mais attends boy yow sa maa mi ngi lay indil ay jàpp ba léegi ci musique bi. ah <laughs> boy yow sa yaay dala bàyyi nga def mais moom boy il est temps que xam nit yaa du talent boy. sama yaay gisul sama ay jamaa or lay gis si boppam.

Nigériens sont et les sud africains sont ñoo Le gouvernement de bees il a marché au gré des gré occidentaux et depuis l'accident il s'en est suivi un lynchage médiatique sans précédent et ça a compliqué la situation le problème il est plus profond à lui. Il est à la limite très grave. Nos derniers investissements ont été un flop, un échec total. Et c'est de ta responsabilité. Oui. Vous vous rendez compte 1 milliard 500 millions investi dans un jugement qui n'a rien rapporté. Dara, zéro, nada. Yafoui. Ah non, je ne suis pas d'accord, Yapi. Ce n'est pas de sa faute. Nous savions tous les risques. Ce n'est pas une science exacte. ABG a fait ce qu'il pensait judicieux. Et nous étions tous d'accord. Calmez-vous. Ce n'est pas quelques morts dans la mine qui nous font baisser les bras. Pensez à la relance. J'ai déjà une stratégie. Certes. le résultat, animé nous donne de mauvaises décisions et les conséquences sont désastreuses. La situation est vraiment très difficile. Actuellement, Golden devrait sortir un jeune leader pour am assez de hargne et de sagesse. Alioune ma donc il nous faut un jeune leader pour nous faire de meilleures propositions. D'ailleurs, dans les semaines à venir, on a signé notre démission officielle. Quand fait, le conseil de choisir un nouveau leader, mais au vote majoritaire. Listen, it's for a short mission. Babe. Can I stay here and take care of the hotel? No. You come with me. Qu'est-ce qui se passe Tu me parais fatigué là. Mais Ramon, c'est ça. Je suis à bout. Ah, je suis conscient que tu as sacrifié toute ta vie pour cette boîte. Lolo cher pour Dieu le boîte. Je veux prendre la direction de Golden et le redresser à ton image. J'ai plein de partenaires prêts à agir. Cependant, il me faut ton soutien. Nalo Maï bulbay muk mukk bal jël ce chien mérite le pire des sorts matlan na sa xel dal loolu moom du am mukk bal dana fay pour lépp lum la def d'ailleurs dana waxtaanaat ak Alioune pour sama candidature bi Ah parce que yow siège u Badara Gaye bi danga caa teg ci wetam mais Yapi, yi mais li gënoon yomb moo doon lu golden am ci xaalis bu bëree ba ce vieux crouton là mais qui sentait encore quoi mais c'est pas vrai mais moi je pense plutôt que c'est Mage qui s'accroche mais à ça oui mais d'accord mais quand même après tout mais toi tu me connais non tu sais que moi, je ne serais pas contre ma am xaalis bu mais ça m'arrange ça arrange tout le monde toi pourquoi tu ne te présentes pas toi là <laughs>

de changer dara plan bi il n'en est pas question dans la faille ba nga kontaan bés bu ma action wu golden yi ci samay loxo di ci des sama diggante la man ak ma jigéen kay marche. encore à faire des plans hey papa et ce soir c'est plan pizza mais oubliez la hein. C'est pas ce que vous avez demandé. On se presse là alors, au moins le jour 4 on eu bonnie.

Yacine man Khalil Gueye laa tudd. je le sais. c'est ta femme. <laughs> ma femme. oui. man awma jabar mais peut-être mu nekk yow. allo.

te dina la dunduloo safara ci kaw c'est drôle. Tu jigéen mel tu yow ku lay ne waxat pas léegi bu de la lu jigéen mën. da nga dof. yow dama je yërëm béggal Djek ne sax Omar da yow def say affaire ci sama rôle en tant que sa jabar woon yow bo toogee wéet xam nga ne sa dar doxul lepp a paan comme xam nga dëkk bi yépp full camp de chez moi vite gennal sama kër bala may dag say bal ful mi mos ki nga confiance sa propre cousine Madeleine la et action ko ba fi mu yow nga bëgg yow jël ko muy diriger Golden diriger Golden vraiment hein?

Et puis, il s'est toujours montré intègre dans les affaires. Bon, intègre Mais à part lui, quand nous diriger Golden, ton propre frère, Kader. Mais Coco nous Dara, Yapi, mais il est comme un petit chien, lui. Le Kader Warek, mon def. Madeleine, c'est ma cousine, là. Mais il a d'autres affaires à gérer. Et en plus. En plus, l'an. Wahal, Wahal. En plus, l'an. Ah, parce que c'est une femme. jigen la yo xana nga man kott la won temps bi nga xamne golden poussière la won may gas ci sa wet temps bi nga xamne kenn joxula ginaaw man man ma xool sa mës a fàtte. xam naa ci dara daal Golden sama doom dina ko diriger. Welcome. ah kii kii kii lu je suis venu régler la situation. Y'a kañ Jamil. Golden.